non demul fenn loolu yep demul fenn loolu yep ay tiaxan la. Mm. pour retarder le procès. Mm. soit ñu annuler ko tay, ñu reporter ko wala mu tarder des heures loolu yep c'est l'enjeu hein. ça ça n'amène à rien du tout. ñu may seetaan ñun jàng droit xamna bu baax li may mm. wax. ça ne prend pas sur la décision ça n'impacte pas sur la décision du juge. impacté wu lu dara de toute façon. ñaari camp yi ku nekk temps de plaide comment dire plaidoirie yi nga am di nga ko épuiser. di ko def normal donc ce qui veut dire que ça ne mène à rien c'est pas l'heure à maintenir, war nañ ci euh, tardel Lol. Euh, euh, comment juste importance bi moi, rendre au final mm, mm. soit dina décider reporter le procès euh, ou bien euh, décider c'est normal parce que lu ñuy gis c'est comme si ça va dans ce sens parce mm. j'ai même reçu euh, message de confrère da melni tamit gis maintenant bu que peut-être mom juge bi m'a hein, avec comment son jury ñom ñoy xol statuer bu affaire bi dafa jara ñu reporter ko parce que peut-être yépp yembol pour nous mener a un euh, verdict bi tay ñu reporter ko wala bu féké ñom tamit ils sont décidés à en finir une bonne fois pour toute euh, sur affaire bobo mën nañu insister pour nous évacuer euh, ce dossier Bobo. Hmm. maintenant man je ne vois pas la cohérence. Hmm. des avocats de l'État. Euh, euh, euh, de de pour nous ñu nous ñu ñu d'accord Juan Branco <laughs> c'est quoi ça Juan Branco il a un client client me la dem défendre il de toute façon il n'est pas inscrit dans le barreau de Dakar il est dans le barreau de Paris donc ce qui veut dire que avocat sans frontières la bo xamantene ne bu client ba fu ko ne Australie ça hmm. mën dem plaider hmm fait que il a ces ces prérogatives là bu que il a ces ces arts de licence ou bien il a ces arts de diplôme. Hmm. mais je crois que remplit ces critères au niveau de la cour de la cdao hmm. En quoi c'est peur de laisser Juan Branco plaider si les avocats de l'État du Sénégal de vous wala voilà tarif au ou bien am comme preuve andi bi. Maintenant, en quoi ça veut dire, oui, le juge, oui, ça se répète, l'histoire se répète. C'est comme si l'État du Sénégal, bon, si il se retrouve dans de mauvaises positions, comme on l'a vu à Zigansor, en pleine audience, nous sommes pour réquisitionner un juge. En pleine audience, nous avons un juge qui chambre, quand nous disons, c'est comme si l'état y a des journalistes il y lu lu lu lu de comportement des avocats des agents judiciaires de l'état wooy ñu réquisitionné avocat bi pour juge bi d'électricité. ay coupure d'électricité vous pour que vous avez, da vous sa ar wala li nga yor ci mom ngay au niveau de cette cour de la CEDEAO mais le euh, c'est quoi le problème yo de de le satan suffisance nga convaincre le juge ci ay fait mais nous ngay yo chaque fois non c'est les agents de l'État est-ce que vous nga les avocats de la défense ñu taxaw euh, euh, de la partie civile Ousmane Sonko taxaw ne nous ñu ci juge bi ni dañu bëgg réquisitionner un avocat. Mm. depuis lu mësa xew fi ci l'affaire Ousmane Sonko. Mm. Adji Sarr Mame Mbaye jigen sor Sabassi fay tay ñu ngi est ce que mëss nga gis les avocats de la partie civile moy manam yu Ousmane Sonko yi taxaw sakku ci juge pour ñu dàq avocat wala pour ñu réquisitionner un juge. est ce que mëss nga ko gis. non parce que dañu wolu sen bop mm. man da nga dama lenn la mësa gëm ku jang ku sa métier ba ar nek fa champion fuñ la yóbbu nga def liggéey bu mm. bu am solo. Mm. moo ma gis ni peut-être les avocats de Ousmane dañu wolu Sen bop même les les deux procès qu'ils ont perdu contre Mame Niang et Ousmane et Adissa mais musuñu dégg avocat Ousmane Sonko ñu ne dañoo réquisitionné beneen avocat. ak maître El Diouf liñ luñ koy yakal fay. les léeg dit di wax bay déborder parce que ñun dafo nañ ñun demoon nañ ci salle bobu ñun gis nañu euh, man ñun on a eu la chance de da da ñu assister euh, procès yooyu yëpp. ñun nekkoon nañ mais euh, El a Diouf léeg les mu ça sax bay bay déborder mais ñu gis ay avocats sakku ci juge pour ñu réquisitionner wala ñu dàq ko musul am. seuls les avocats de l'État ngay gis bu avocat bi xaw leen jaaxal bu leen xawé jaaxal wala ñu musonal leen acca ñu ne ci juge bi. Ah, nañu euh, du ki nga xamné que modi na constituer ko peur envers li nga xamné que modi ça lui euh, donne raison euh, chaque fois il y ngeen sàkk pour ñu dakh ko mom dina am c'est-à-dire que ñoom may lu muy wax li ñom avocat de l'état ñom ñoo may Juan Branco lu muy bako hmm. ñom may. bu Juan Branco nga sa ni avocat de l'état da nga am ay nijaasa yu tax état tànn la pour yóbbu la fa. Hmm. mais bàyyi xuwaan mu pla euh, mu plaidé nga dóor ko si c'est-à-dire que pour mu neex la foog mu bokk ci match bi yow nga dóor ko skoor ci match boobu <laughs> mais foofu la. mais do gagné procès bo, boo après nga taxaw ne la wooy man ma gagné alors que yo da nga sakku ñu dàq benen avocat. ok euh, donc mais boo euh, gisee les euh, avocats de Ousmane Sonko ñi peut être bakku à Ziguinchor je dis bien peut être ah. Hmm. ñii bàkku parce que gisuma len ñi bakku hmm. ci ci yenen anam la koy waxee. Hmm. boo gissé tay ñii ñii bakku wala ñiy wax hautement avec la vote la la voix haute moy manam sen bat jóg ci procès bu Ziguinchor parce que d'accord nous avons un avocat parce que d'ailleurs bail avocat y est dem tu je bobo qu'on a que plaidé un plan temps suffisamment pendant 11 heures d'horloge ou 12 heures d'horloge nous hmm. avons gagné match matériel. mm -hmm. moi malgré cela les avocats de l'État du Sénégal demandé une réquisition. voilà si le li nga xam juge B, franchement. avocat loolu lay bako, c'est-à-dire que sàgg la nga ki nga jaakaarloo nga gagné ko tamponné ko ci ay plaidoiries yi andi preuve teg avocat loolu lay lay bakkoo. alors day taxaw fen ne ma mës gagner gagné diw ci procès. mais man mës naa gagné procès boo xamante ne dama sàkku woon loolu c'est honte. dama hmm. sàkku woon ñu dàq diw. Hmm. même si il n'est pas en en en toute légalité parce eh, que man gisuma bu fekkee Juan Branco il est en toute légalité. Hmm. lan lañu sakko kon pour ñu dàq ko. alors bu fekkee il n'est pas en toute légalité audience baa ngi audience ba tey ba tey. nañ ko mu euh, ñu ñëwaat ci audience bi euh, japp ni tam li nga xamné que modi euh, les avocats d' du Sénégal Arfan ñu ngi insister si perturbation yi nga xamné ne won am si courant bi ak walu connexion bi fi ci Sénégal. et que l'affaire est tellement importante pour l'État du Sénégal qu'il faut la renvoyer en quoi le courant au Sénégal peut impacter en quoi l'affaire le courant et l'internet au Sénégal. Hmm. peut impacter un procès qui se tient de l'autre bout de l'Afrique. mais avocat il fait la ñuy <laughs> non non attends quand attends kan le le courant bi. courant bi kan moo pas gérer. Pape Demba ci kan la bokk. <laughs> <laughs> mais directeur la l'État du Sénégal moko nommé. ñu dafa important. Macky Sall moo nommé mm. Demba bitey ci ñom la Je nañ ko laaj pourquoi courant bi am ay est ce que c'est pas une stratégie pour ñu un procès mais ce qui s'est passé à Ziguinchor en pleine audience après. il y a une confusion qui fait que on ne se sent plus tellement porté par l'intention de gagner un procès mais par l'intention d'arriver à une décision une bonne décision accepté, acceptable. Il y a eu des morts, il y a eu des morts au Sénégal. Ce n'est pas rien, Monsieur le Président. Pour, pour le reste, ce que je souhaite dire, je rappellerai non pas à l'Auguste Toukou, mais à nos, à nos, à nos confrères, qu'à partir du moment l'avocat lui-même dit, la veille de l'audience, qui... une Vous faites que nous procès bobu dafa tenir à cœur c'est pas l'état du Sénégal moi am déjà fait courant alors que nous, nous mom courant bi hmm. ñoom ñoo ñuy koy fayloo ñun alors que ñoom ñoom moom internet bi bu émeute amee fii du ñoom ñooy sakku ñu couper internet bi bu ay émeute amee ci yeneen du ñoom ñooy sakku ñu couper courant bi. Hmm. tey ñoom ñoo xamante ñoom ñoo yor courant bi yor internet bi ñoom ñooy jooy internet ñoom ñooy jooy internet tey. parce que ay avocat de nga wax mosoo gisoo fii ay avocat

et qu'il y a le mémoire en réplique, la Cour est seule habilitée à autoriser des dépôts de mémoire en réplique. Simplement parce que les parties ont dit tout ce qu'ils ont dit sur les mémoires précédentes. Et en l'espèce, en l'espèce, il y a